Bonjour à mes internautes de e-sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 14 février 2024. On démarre avec du football. Les héros de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire ont été accueillis au palais présidentiel, célébrés pour leur victoire éclatante lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président Ouattara a honoré chaque joueur avec une villa de 50 millions et une prime de 50 millions de francs CFA, démontrant ainsi sa gratitude envers ses champions. Mais ce n'est pas tout, la Fédération ivoirienne de football a également été gratifiée de 300 millions de francs CFA. Le staff technique a reçu une récompense de 400 millions et l'entraîneur MRC Payé s'est lui accordé une prime exceptionnelle de 100 millions. Direction Espagne avec Youssouf Savali qui a enfin repris l'entraînement collectif. La fin du calvaire et de la si longue attente semble bien se rapprocher pour Youssouf Savali. Ce lundi, le joueur de 30 ans a participé à l'intégralité de la séance d'entraînement collectif du Real Betis. Non inscrit en Ligue Europa Conférence, Savali ne pourra pas donc faire son retour ce jeudi 15 février face au Dynamo Maghreb en match aller des barrages de C4. En revanche, l'ancien joueur de Bordeaux devrait pouvoir être dans le groupe contre Alaves dimanche prochain. Ligue pro sénégalaise, les compétitions reprennent. C'est une excellente nouvelle pour les amateurs de football. Suite à une période de suspension due à des considérations politiques et sécuritaires, la Fédération sénégalaise de football annonce la reprise imminente de ces compétitions. Dans un contexte marqué par des préoccupations politiques et sécuritaires, la Ligue sénégalaise de football professionnel avait suspendu suspendu toutes les compétitions à partir du 4 février 2024. Cela inclut la reprise du championnat sénégalais de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que des activités liées au football amateur. En champ de discipline, volleyball, la cinquième édition de la Supercoupe de Sénégambie a été reportée jusqu'au 15-21 avril prochain, après U Sport via le site officiel de la Fédération sénégalaise de volleyball. En effet, l'instance a précisé que ce report est dû à la situation politico-sociale qui prévaut actuellement au Sénégal depuis quelques jours. Pour rappel, ce tournoi annuel a été mis en place par les deux pays pour la promotion de la paix entre les deux peuples à travers les deux fédérations et les clubs gambiens et sénégalais. On termine la revue de ce mercredi par un zoom sur Yacine Diop, la belle réponse d'une inébranlable. Critiqué il y a quelques mois, Yacine Diop, l'élire de 28 ans, a réalisé un excellent tournoi à Anvers malgré les trois défaites de la sélection sénégalaise, suffisant pour redorer le blason. Réponse à lire dans votre quotidien du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le best e Sport